bonsoir à tous. Euh, bienvenue à ce forum euh, de ce soir euh, portant sur le thème intégration des personnes handicapées à la fonction publique nigérienne avancée et défi. Le Niger compte un peu plus de 700 000 personnes handicapées selon le recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2012, ce qui donnait une proportion de 4,5 2% de la population globale nigérienne. Ce nombre de personnes handicapées est estimé en 2023 à environ 1 million de personnes, pays ayant ratifié plusieurs instruments internationaux des droits humains, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006, ratifiée en 2008 par le Niger, L'État du Niger a réaffirmé dans sa constitution du 25 novembre 2010 son attachement aux principes de l'État de droit et des droits humains, ainsi que son engagement à respecter les droits des personnes handicapées. C'est ainsi que l'article 26 de la loi fondamentale dispose, je cite, l'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et ou de leur réinsertion sociale. Parmi les textes en vigueur au Niger figure la loi de décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux relatifs à leur insertion et son décret d'application qui prévoit un quota de 5% des postes d'emploi aux personnes handicapées. Quelles sont les avancées réalisées par le Niger dans le cadre de l'intégration à la fonction publique des personnes handicapées Quels sont les défis à relever pour une meilleure promotion du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Madame Moussa Echatou. Elle est la directrice de la promotion des personnes handicapées et de l'inclusion sociale au ministère en charge de la santé et de la population. Notre deuxième invité est monsieur Hamani Ali Abdelaziz. Il est le président du comité des jeunes chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Nous avons également comme invité monsieur Munkeila Danfiroun. Il est conseiller à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Il est par ailleurs conseiller à l'inclusion des personnes handicapées au Comité international de la Croix-Rouge CICR. Nous avons également invité à ce forum le ministère de la fonction publique qui a en charge donc euh, l'organisation des concours, mais ce ministère n'a pas répondu présent à notre invitation à la modération du forum de ce soir. Je suis Michel Deji. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de ce soir et en pour thème intégration des personnes handicapées à la fonction publique euh, au Niger, avancées et défis. Monsieur le conseiller Munkeila Danfiroun, d'abord, euh, quelle est la situation actuelle des personnes handicapées au Niger. Merci, Monsieur Michel, de cette opportunité que vous nous offrez pour en débattre mhm. sur euh, la situation des personnes handicapées, notamment sur euh, mhm. leur euh, intégration à la fonction publique. Alors, du point de vue statistique, la situation des personnes handicapées, vous l'avez vous-même rappelé, mhm. au Niger en 2012, après le recensement de la population. l'INES a eu comme résultat 4,2%, soit les 715 497 personnes mhm. euh, qui ont été classées par catégorie du handicap. Mhm. Euh, mais le taux, le, nombre euh, se trouve plus élevé au niveau des personnes handicapées qu'on appelle les polyhandicapés, ceux qui mhm. ont plusieurs handicaps, ceux qui ont le plus grand nombre dans ces 4,2%. Ensuite, vous avez le handicap physique qui vient en deuxième position, l'handicap visuel, vous avez l'handicap auditif et ainsi de suite. Mhm. Euh, dans les 4,2% également, vous avez 2,9% qui sont représentés par les femmes handicapées. Mhm. Voilà un peu euh, la situation du point de vue statistique mhm. des personnes handicapées au Niger en 2012. Ça, c'était en 2012, mais certains estiment que ce nombre euh, doit être actuellement à environ 1 million. Ça ou plus même, ou plus mhm. même, parce que nous savons tout ce qui s'est passé lors de ce recensement. Il y a eu un rapprochement, un début de rapprochement avec euh, l'INES mhm. pour qu'ils puissent comprendre comment aller vers ce recensement des personnes handicapées. Mhm. Et actuellement, tout un travail gigantesque est en train d'être fait pour qu'on ait les chiffres qui reflètent réellement le nombre de personnes handicapées au Niger à travers le Washington Group. D'ici peu de temps, on aura que l'histoire nous donne raison que mhm. nous dépassons les 4,2% de la population. Mhm. C'est vrai, il faut signaler qu'il y a le cinquième recensement général de la population mhm. qui va bientôt démarrer. Merci beaucoup. Madame Echot Moussa, vous êtes la directrice des personnes handicapées au ministère en charge euh, de la population. Quand on parle de personnes handicapées, ça veut dire quoi en réalité eh, Merci, Monsieur Michel, de nous avoir donné l'opportunité pour euh, participer à ce forum mm. et sur euh, l'intégration des personnes handicapées à la fonction publique et mmh. avancées et défis. Donc, euh, on peut euh, définir une personne handicapée comme toute personne mm-hmm. présentant une incapacité physique, sensorielle ou mentale mm-hmm. et qui lui empêche de participer pleinement et à la vie, au développement socio-économique euh, de la nation. Mhm. Ça, c'est selon quel euh, texte, puisqu'il y a plusieurs textes qu'on utilise. Il y a la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il y a la loi de, voilà, donc la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Euh, cette définition. Madame la directrice, on dit personnes handicapées ou personnes en situation de handicap euh, juridiquement Qu'est-ce qui est recommandé C'est la CDPH, c'est la mhm. Convention relative aux droits des personnes handicapées. Qui date de 2006 euh, Qui date de 2006 et dont le Niger a ratifié le 24 juin 2008. Oui, mhm. Donc, on parle de personnes handicapées. Mhm. On parle de personnes donc, la situation qu'on peut faire entre, la différence qu'on peut faire entre une personne handicapée et une personne en situation de handicap. Une personne en situation de handicap n'est pas forcément une personne handicapée. Mhm. Par exemple, si on prend le cas d'une personne qui est victime d'un accident mhm. et que cet accident-là fait en sorte qu'elle est en situation de handicap, elle ne peut pas euh, faire euh, mhm. les déplacements, il faut qu'elle prenne et qu'elle se déplace avec une béquille. Ah et après euh, avoir retrouvé sa santé, elle laisse les béquilles, elle continue sa vie normale. Donc c'est ça, elle est, elle, elle à un certain moment, elle est en situation de handicap pas forcément dit mhm. qu'elle est handicapée, parce que l'handicap, il, faut mhm. que ça soit durable. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Il faut mhm. rappeler que l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de décembre 2006 a prévu le droit au travail aux personnes handicapées. Cet article dispose, je cite, les États partis reconnaissent aux personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouvert, favorisant l'inclusion et accessible aux personnes handicapées. C'est dans cette optique que le Niger s'est doté, on l'a rappelé en décembre 2019, euh, de la loi déterminant les principes fondamentaux relatif à l'insertion des personnes handicapées au Niger et son décret d'application qui prévoit un quota de 5% des postes d'emploi aux personnes handicapées au Niger. Ces dispositions sont-elles respectées Monsieur Ali Hamani, président du comité des jeunes pour le suivi du recrutement des personnes handicapées à la fonction publique nigérienne. Euh, merci, Monsieur Michel, de nous avoir donné cette occasion de participer à ce forum et de nous exprimer sur ce sujet mhm. qui nous tient beaucoup à cœur. Merci d'être venu. Donc, euh, mhm. nous pouvons dire que actuellement, il y a eu des grandes avancées mhm. dans le cadre de l'application du quota de 5% qui est réservé aux personnes handicapées lors des concours de recrutement. Mmh. C'est vrai, il y a des dispositions de la loi qui, qui ne sont pas du tout favorables à une application effective, mmh. mais quand même, il y a eu une avancée ces derniers temps-là. Mmh. temps. Quand on parle de 5%, ça veut dire que sur 20 personnes recrutées, au moins une personne recrutée doit être une personne handicapée, c'est ça c'est ça. Mhm. Et c'est ce que dit le décret d'application C'est ça. Mhm. Il a dit que tout employeur employant au moins 20 salariés est mhm. tenu de réserver 5% des postes aux personnes handicapées. Mais là, il y a un problème, puisque la loi dit 5% des postes. Mais dans le statut général de la fonction publique, on dit que ces 5%-là s'appliquent sur le corps ou sur le cadre. Donc c'est une façon de réduire les chances pour les personnes handicapées de bénéficier de ces 5%-là. Mhm. C'est-à-dire il y a une, petite, contradiction entre ce que dit la loi déterminant les principes fondamentaux mhm. relatifs à l'insertion des personnes handicapées et les dispositions de l'article 82, mhm. notamment au niveau de l'alinéa 3 du, décret d'application mhm. de la loi portant statut général de la fonction publique. On va rappeler ce que dit la loi. La loi a parlé donc euh, de ce quota au niveau des articles 15 et suivants, et, mais dans le décret d'application, la disposition a été également rappelée du décret d'application qui date de juillet 2021. Je cite article 14. Lorsque les emplois réservés et les profils sont disponibles sur le marché de l'emploi, tout établissement public, toute entreprise privée ou organisation non gouvernementale employant au moins 20 salariés est tenu de réserver un quota de 5% aux personnes handicapées. Monsieur le conseiller de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, à quel niveau se situe en réalité le problème Moi, je dirais pas un problème, mais je dirais lecture différente. Mhm. Ce que Ablaziz essaie de nous expliquer nous donne l'idée euh, qu'il y a une autre lecture que le ministère mhm. de la fonction publique fait. Du décret Du décret mhm. pour le statut. Et il essaye de ne pas appliquer le décret de la loi 2019 là, mhm. qui, prévoit 5%. Mhm. C'est-à-dire quoi Dans le cadre ou dans le corps. Par exemple, quand vous avez un, euh, concours à, l'endroit d'un ministère, mhm. on vous dit on a besoin de 5 cadres a 1, 13 cadres a 2. On revient à la catégorie B, etc. etc. Nulle part, vous, vous avez difficilement là où il y a 20 personnes pour appliquer les 5%. Et c'est ça l'application dans le corps ou dans le cadre. Mm-hmm. Alors que on dit pour le compte d'un ministère, il y a 800 agents à recruter. Mm-hmm. On doit tout simplement faire le calcul, mm-hmm. ressortir les 5%. Et maintenant, en fonction des profils recherchés, quand les personnes handicapées répondent à ces profils-là et qu'ils ont décidé postuler, on essaie de faire cette présélection et aller à la sélection définitive pour leur recrutement sans concours. Ça veut dire s'il y a 13 personnes, on ne peut pas appliquer les, 5%. On Exactement. Donc le ministère, décide de ne pas à ce niveau appliquer. La lecture qui est faite mhm. par la fonction publique, mhm. puisque c'est un statut, c'est un décret pour leur, la loi, leur loi de la loi de 2007. Euh, mhm. Alors c'est au nom du ministère de la fonction publique, ils font fois plus qu'à d'autres dispositions juridiques qui sont encore plus récentes, telles que la loi 2019 et son décret 2021 qui n'a pas dit le contraire d'ailleurs, puisqu'à ce niveau, le décret n'a pas dit. Il, a parlé de 5%, il dès qu'il y a 20 personnes. Mhm. Alors pour nous, je me dis, il faut faire la situation. Vous avez 100, ça fait 20 fois 5. Mhm. On aura 5 places mhm. pour les jeunes diplômés handicapés à recruter. Maintenant, est-ce qu'ils répondent au profil, oui ou non S'ils répondent au profil, le concours va être fait entre eux. Mhm. C'est-à-dire on, on va essayer de faire d'énumérer des critères pour les mhm. départager, puisque je peux être du même diplôme que lui, aspirer mhm. au même poste que lui. Là, la fonction publique va s'intéresser à notre statut matrimonial, l'ancienneté, est-ce qu'on a eu à faire les services civiques Malheureusement, ce n'est pas ce cas-là qui se passe ils essayent de l'appliquer en fonction de la répartition des cadres à recruter ou des corps à recruter. Et c'est ça qui fait. Et là, on a moins de 5%. Exactement. Parce qu'on peut dire qu'on cherche des comptables, 13 comptables. 13 comptables. On ne prend aucune personne handicapée. Ça, c'est clair. Ensuite, on dit 7, euh, je ne sais pas, avocats, ainsi de suite. On peut, à ce niveau, recruter jusqu'à 200 personnes sans prendre aucune personne handicapée. Voilà pourquoi je dis c'est une lecture. Alors que vous, vous souhaitez qu'on comptabilise tout. Exactement. Et qu'on réserve les 5% aux personnes handicapées. Alors, on est tous là pour la promotion. Je me dis si mhm. c'est quota est réservé aux personnes handicapées, c'est quelque part parce qu'il a été constaté que l'égalité des chances n'était pas à jour, disons. Monsieur Danfiroun, on voit également que la loi en question pose euh, une condition, c'est lorsque les emplois réservés et les profils sont disponibles. Est-ce que ces profils sont réellement disponibles du côté des personnes handicapées ah, Effectivement, ces profils euh, sont disponibles aujourd'hui dans tous les domaines. Mhm professionnels, vous avez des diplômés handicapés. Mhm. Euh, en l'occurrence, nous avons déjà Blasi qui, a fait l'anglais, je fais l'université avec lui. Mhm. Moi, je fais le droit. On en a beaucoup, même dans la médecine aujourd'hui, on a des diplômés handicapés. Mhm. Mais est-ce qu'il n'arrive pas euh, par moment que l'État recherche des cadres qu'on n'a pas la possibilité de trouver dans le Pour l'instant, ça m'étonne. Jusque-là, on n'a pas eu ce cas où on dit il y a un domaine, tant que mhm. c'est pas le domaine militaire. Mhm. <laughs> Et là également, si c'est pour travailler dans les bureaux, je pense qu'on euh, on a beaucoup d'expériences qui prouvent que, par exemple, les personnes aveugles peuvent euh, travailler au niveau des sapeurs-pompiers pour les appels. Mhm. On a d'ailleurs beaucoup d'exemples comme ça. Ils sont très doués dans ce service. Donc, on n'a pas eu ce cas évident. Mais ce que je sais, il y a beaucoup de diplômés, mhm. d'ailleurs des jeunes diplômés handicapés dans plusieurs euh, euh, domaines. Et je voudrais revenir sur la promotion de ces personnes diplômées, handicapées diplômées mhm. pour dire que si l'État se donnait la possibilité de se doter d'une disposition juridique mhm. pour faire leur promotion. On doit tous ensemble aller dans ce sens pour montrer aux autres qui ne croient pas à la capacité des personnes handicapées de savoir que ce sont des personnes qui ne sont pas nées pour être une charge pour la communauté. Mhm. Au contraire, elles peuvent contribuer au développement socio-économique du pays. Et c'est en ce sens, vous prenez aujourd'hui les organisations internationales mhm. sont en train d'emboîter le pas. Je prendrai l'exemple d'abord de mon lieu de travail, le mhm. CICR, où moi, en tant que personne handicapée, j'ai été recruté pour un poste pour la question, mais d'autres personnes handicapées sont en train d'être recrutées à ce niveau. CBM également est en train de faire euh, euh, s'inscrire dans cette logique. Aujourd'hui, HI a fait donner beaucoup de stages aux personnes handicapées mhm. pour les accompagner dans cette promotion. On voit même des offres d'emploi où, oh, on dit que vraiment, même lorsque vous êtes personne handicapée, c'est recommandé. Exactement. Mhm. La candidature des personnes C'est comme les candidatures féminines qui sont vivement recommandées. Exactement. C'est la discrimination positive, on dit, c'est ça Oui. Donc, mhm. euh, c'est pour dire que euh, l'État est déjà accompagné par les institutions internationales, mhm. par les ONG. Mhm. Donc je crois que c'est juste euh, ensemble d'emboîter le pas pour la même marche afin mhm. que ces personnes handicapées qui, se, qui ont eu à surmonter tous les défis, tous les obstacles pour étudier, avoir des diplômes légalement et dignement, euh, le travail maintenant doit avoir les mêmes chances. Vous l'avez rappelé dans votre introduction l'article 26 de la Constitution nigérienne qui parle de l'égalité des chances des personnes handicapées sur la base mhm. de l'égalité avec les autres, ce qui, concerne les libertés fondamentales et de tous les droits humains. Mhm. Donc on ne doit pas être discriminé parce qu'on est personne handicapée. C'est ce qu'il faut retenir. Madame euh, Moussa Echatou, directrice de la promotion des personnes handicapées au Niger, quelles sont les obligations qui repose sur l'État dans le cadre du respect des droits des personnes handicapées et la question de leur intégration à la fonction publique. Donc, euh, peut-être ce qu'il faut rappeler, et mhm. Notre pays est l'un des premiers pays de la sous-région mhm. et qui a très, très tôt pensé à la promotion des personnes handicapées. Et donc, euh, depuis 93, si vous vous souvenez, l'ordonnance il y avait une ordonnance, qui a été fixant les règles voilà, les règles minimales relatives à la protection sociale. Où on dit qu'ils ont droit à l'éducation, handicapées. Ils ont droit donc, à des le Niger y a pensé depuis, mhm. avant même l'avènement de la CDPH. Mhm. Donc, euh, avec l'avènement de la CDPH, le Niger était l'un des premiers pays qui a mhm. ratifié cette convention. cette a convention. Ratifié la convention deux ans après. deux ans après la, convention son adoption. Voilà. Mhm. Donc après ça aussi, le Niger a pris plusieurs textes législatifs et réglementaires en faveur mhm. de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Mhm. Et en 2019, la loi est intervenue pour harmoniser tous les textes que nous avons au niveau national avec euh, la Convention. Donc cette loi-là, d'abord l'ordonnance a prévu son, en son article 21. L'ordonnance de 93. De 93. Elle a prévu à son article 21 et les, quotas de 5% parce que c'est l'article 21 qui dit que tout établissement public mhm. ou toute entreprise privée mhm. employant au moins 20 salariés mhm. doit être tenu de réserver un quota de 5% aux personnes handicapées. Madame la directrice, est-ce que ces dispositions sont respectées aujourd'hui au niveau de votre direction Quel constat faites-vous En tout cas, nous, au niveau de notre direction, nous, sommes, nous avons comme mission de veiller à ce que ces dispositions-là soient respectées au niveau de la fonction publique. Mais ce qu'il faut constater, et au niveau de la fonction publique, il y a un comité qui fait ce travail-là, mhm. mais il n'y a pas une représentation de notre direction. Mhm. Donc concrètement, au niveau de la fonction publique, on ne peut pas vous dire mhm. voilà, voilà, voilà comment ça se passe ». Vous faites le plaidoyer. Normalement, normalement on doit faire partie en tant que direction de la promotion des personnes handicapées et la fédération aussi et les, concernés eux-mêmes. Mais tout ça, là, et on ne fait pas partie, donc euh, c'est la fonction publique qui fait son travail. Nous, les dossiers passent par nous, on les dépose à la fonction publique. Et après, on suit le dossier pour qu'on pour sache que mhm. pour ces concours-là précis, par exemple, pour les concours, si on prend le concours des finances, mm sur les 831 agents qu'on veut recruter, mhm. et on, a, on a recruté combien de personnes handicapées mhm. Normalement, la loi n'a pas dit d'appliquer le quota en fonction et de la catégorie ou bien du grade. La loi a seulement dit 5% doit être réservé pour tout recrutement, que ce soit dans le public ou dans le privé. 20 mhm. salariés, au moins 5% des personnes handicapées. Donc, sur 20 salariés, il faut au moins une personne. Donc, comme M. Abdelaziz l'a dit, mhm. normalement, le quota doit être appliqué aux 831 agents mhm. pour qu'on puisse avoir au moins les 40 places. Et ce n'est pas ce qui se passe euh, actuellement. Donc, euh, il y a un grand travail à faire pour euh, qu'on puisse obtenir améliorer. Cela. Oui, oui. Le décret d'application parle également du, secteur euh, privé. Privé. Les entreprises privées. ça veut dire que ces entreprises ont également l'obligation. Ils ont l'obligation. Mhm. Mais comment vous faites le suivi pour... Maintenant, c'est ça les défis. Mhm. Les défis, avant d'arriver aux défis. Mhm. C'est ça les défis. Les défis, c'est surtout les secteurs, privés qu'on n'arrive pas à contrôler si le quota est appliqué ou pas. Donc c'est à ce niveau-là qu'on doit faire euh, un grand travail et au mhm. niveau de la fonction publique, de veiller à ce que le quota soit appliqué sur le nombre d'agents à recruter et non sur la catégorie ou bien les mhm. cadres. Et Madame la Directrice Générale, mhm. est-ce qu'on peut parler d'avancée en termes de respect du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger En tout cas, on peut parler d'avancée et par rapport au cadre légal. Il y a une avancée. Mhm. Quand vous parlez du cadre légal, ça veut dire quoi Depuis l'ordonnance jusqu'à la CDPH, la mhm. loi est Depuis 93. Euh, il y a une volonté, une certaine volonté au niveau, mhm. et, oui, oui, au niveau et, des instruments. Parce que euh, justement, depuis 93, on a prévu les infrastructures adaptées, normalement l'accès au ministère. Euh, par rapport au cadre légal, vraiment, il y a une avancée. Maintenant, vous savez, il y a les textes. Maintenant, c'est l'application. C'est l'application. C'est au niveau de l'application qui fait parfois défaut. Oui. Monsieur le président du comité de suivi des jeunes, c'est vrai, il a rappelé l'ordonnance euh, de 93 qui prévoit ce qu'on appelle les règles minima pour les personnes handicapées. Ça concerne le droit à l'éducation, à la santé, au niveau des infrastructures. Il est demandé à toute entreprise ou service de l'État de prévoir un lieu de passage pour les personnes handicapées. Et avec le temps, jusqu'à nos jours, selon vous, peut-on parler d'avancées réelles dans le cadre euh, de la promotion du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger Disons que qu'au niveau du secteur public, nous pouvons parler d'une certaine avancée, mhm. puisqu'il il y a eu l'ordonnance 93-012, mhm. mais c'était resté seulement dans les textes. Mhm. Ce n'était pas appliqué. Il a fallu que les diplômés handicapés se mobilisent pour faire organiser une marche que c'est ce qui avait attiré l'attention des autorités, que c'est à partir de cette période que, l'application de cette loi pour la question du quota mhm. avait réellement commencé. Mhm. Et après l'avènement de la Convention aussi, les textes ont été harmonisés l'État essaie d'harmoniser à travers une loi, la loi de décembre 2019 de, la convention, qui a été adoptée en 2006 et qui l'a ratifiée en 2008. Mm. Donc, euh, nous pouvons dire qu'il y a une avancée dans le secteur public, mais dans le secteur privé, dans le cas, on est toujours à la case de départ. Mhm. raison pour laquelle nous sommes en train de restructurer notre organisation. Au lieu que ce soit le comité des jeunes handicapés chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Mhm. Cette organisation va devenir bientôt le comité des jeunes handicapés diplômés. Mhm. Mhm. Donc cela va nous ouvrir le champ d'intervenir aussi au niveau des secteurs privés. Donc euh, nous avons prévu des activités de sensibilisation. Ça veut dire que le secteur privé doit respecter cette disposition légale, mais à mm. l'heure actuelle, quand vous approchez les employeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent du secteur privé à l'heure actuelle, on n'a pas encore pris cette initiative-là. Mm-hmm. Nous sommes en train d'élaborer tout un programme, mm-hmm. puisqu'il faudrait commencer d'abord par les sensibiliser, mm-hmm. pour qu'ils sachent qu'il y a des dispositions qui existent et qui leur font obligation d'employer les personnes handicapées. C'est une obligation, vous convenez, dans Firon? Effectivement, mais je voudrais d'abord compléter euh, mhm. Ablaziz par rapport à, la première vague mhm. des personnes handicapées diplômées qui ont bénéficié du recrutement à la fonction publique. C'était en 2007. Mhm. le, gouvernement, à l'époque, a décidé d'intégrer tous ceux qui ont déposé, et d'ailleurs même ceux qui n'ont pas déposé ont été appelés pour déposer. Mhm. Et le nombre était de 247 diplômés handicapés mhm. directement intégrés. 247 diplômés handicapés, mhm. intégrés directement dans tous les ministères. Pas seulement le ministère qui a sollicité euh, le recrutement. En fonction des diplômes, le gouvernement a reparti ce nombre-là. Par rapport au privé, chose intéressante, je me rappelle, j'étais en 2018, j'étais encore le SCG de la fédération. On a mhm. rencontré le patronat, le syndicat de patronat du Niger mhm. à l'hôtel Gawai, sous le parrainage de la première dame Lalla Malika, mhm. où on les a bel et bien expliqué l'existence de la disposition de l'ordonnance 93 euh, à son article 21. On a partagé les expériences, comment le recrutement s'est fait et ils ont également confirmé, mais que l'idée de recruter les personnes handicapées n'était pas vraiment euh, euh, venue dans leur esprit. Mhm. Et ils se sont engagés. Malheureusement, depuis lors jusqu'à preuve de contraire, dans le secteur privé, il n'y en a pas de suite. Et en plus, ils sont champions dans le recrutement morcelé. Mhm. Mhm. Pour éviter quand vous parlez de... Le recrutement morcelé, ils vont difficilement... Ils pas 20, personnes en même temps Difficilement. On, fait, on prend 2-3 personnes aujourd'hui, on attend un mois, deux mois il lance encore un autre euh, avis de recrutement pour mhm. prendre 7-8 personnes. Et finalement, il échappe. Parce que la loi a prévu, a prévu des sanctions. Il y a, 6 mhm. six mois de salaire du poste en question mhm. à pourvoir que le contrevenant est censé verser dans le caisse qui est destiné au, euh, au soutien, fonds de soutien aux personnes handicapées. C'était ça la sanction, que quelque part je trouve très allégée. D'accord ça devrait être une autre sanction au-delà des sanctions pécuniaires, des sanctions qui peuvent inciter les institutions, le secteur privé, tels mhm. telles que les exonérations. Mhm. Si on fait un état de lieu, on voit que vous avez respecté le quota pendant un an ou cinq ans, l'État peut vous alléger certaines impositions mhm. fiscales. Ça, c'est pas des sanctions, donc de prévoir des, avantages pour les personnes qui respectent euh, les dispositions légales. Aujourd'hui, mhm. si je ne veux pas recruter à Blasi, je serai prêt à payer les six mois de salaire. Mhm. Et c'est le minimum, le SMIG en respectant le SMIG. Hein. Sans même parler, on ne va pas parler des avantages qui vont élever le salaire. Mais si on me dit en le recrutant, je serai exonéré par exemple de taxes des impôts pendant 5 ans. Mhm. Mais je veux répéter, dit à mhm. Pas lui seul. Mhm. Il faut qu'on aille dans ce sens, à mon avis. La loi pouvait aller dans ce sens et ça peut motiver beaucoup à le faire. Et quand vous prenez les organismes internationaux, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que moi, ce que je vis au niveau du CICR en 2019 quand j'étais recruté, c'est suite à mon recrutement qu'ils ont rendu les locaux accessibles. Rampe d'accès au portail principal, deux autres rampes à l'intérieur mhm. et nous avons tout fait pour maximiser les bureaux qui sont fréquentés par les personnes handicapées au rez-de-chaussée avec un dispositif de fauteuil pour celui qui en a besoin. Un parking réservé. Mhm. Moi, actuellement, je suis le seul parmi les employés résidents mhm. nigériens qui, a un parking du fait de mon handicap. Maintenant, quand je voyage, on partage ça avec, parce que le recrutement des personnes handicapées continue. Voilà pourquoi euh, je pense que le secteur privé doit arrêter de penser comment je vais faire mhm. quand je recrute une personne handicapée. Il doit penser à la recruter d'abord. En ce moment, ensemble, ils vont voir la solution pour adopter son environnement de travail mhm. et ça va être euh, une belle surprise. Mhm. Parce que de l'expérience que j'ai, les personnes handicapées dans le travail font, le font toujours avec un défi. En se disant, quand je suis la communauté va tout simplement dire c'est parce que je suis une personne handicapée que j'ai échoué. Mhm. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois être trois fois meilleur ou plus même mhm. que la personne non handicapée afin de préserver ma dignité dans, ce travail, dans le travail pour lequel je suis là. Merci, Monsieur Dan Firun, conseiller à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Et nous allons terminer le forum de ce soir euh, avec euh, les défis qui restent à relever pour un meilleur euh, respect du droit à l'emploi des personnes handicapées au Niger. Madame Moussa Ishatou, directrice de la promotion des personnes handicapées, quels sont ces défis les plus importants qu'il y a lieu de relever le plus vite possible Ok, mm. merci. Mm-hmm donc par rapport au défi, on peut parler de l'implication de toutes mhm. les parties prenantes. Mhm. Et en ce qui concerne le recrutement des personnes handicapées. Mhm. Donc, euh, les ministères en charge des questions du handicap doivent être impliqués et la Fédération nigérienne des personnes handicapées doit être impliquée et les diplômés eux-mêmes, à travers leur organisation, doivent être impliqués pour savoir comment réellement et le quota est appliqué. Mhm. Comment, comment les comités fonctionnent au niveau de la fonction publique. Mhm. C'est à ce moment-là, s'il y a des insuffisances, on peut chercher à les, à les solutionner. L'ordonnance de 93 oui. a euh, prévu un comité technique national. Est-ce que ce comité existe euh, Ce comité existe, mais ce mhm. comité n'est pas fonctionnel. Cette année, en 2023, et nous avons prévu eh, quatre réunions mhm. pour eh, eh, dynamiser mhm. les comités. Mhm. Donc, euh, c'est surtout les comités national pour la promotion des personnes handicapées. C'est ça, c'était ça qu'on hein, a voulu dynamiser pour l'année 2023. Et après, on a, prévu une, réunion par trimestre pour qu'on puisse... Euh, dynamiser ça. Et au niveau des régions aussi, il y a huit comités régionaux mhm. qui ne sont pas encore aussi fonctionnels. Donc tout ça, c'est à améliorer. Donc à, tout ça, c'est à améliorer. Mhm. Et d'autres choses, euh, c'est par rapport au secteur privé, comme je l'ai dit tantôt. Mhm. Il y, a, un travail qu'il faut faire en amont pour amener le secteurs euh, privés et à pouvoir euh, appliquer le quota de 5%. Merci beaucoup. Il y a donc beaucoup de défis. Monsieur Ali Abdelaziz Amani, est-ce qu'il y a des obstacles socio-culturels qui freinent la prise en compte euh, de ce droit à l'emploi des personnes handicapées de votre point de vue En tout cas, le, grand défi que nous, nous, notons, c'est mhm. surtout, comme l'a dit Madame la directrice, la non-implication des, des parties prenantes au niveau du, comité. là. Mhm. Donc, euh, notre souhait est que, que le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, mhm. les diplômés, handicapés eux-mêmes, la Fédération nigérienne des personnes handicapées, mhm. qu'ils soient tous représentés au niveau de ce comité-là, mhm. pour qu'ensemble ils puissent faire un travail sain et fiable. C'est vrai, parce qu'à la fonction publique, ils disent qu'ils respectent le quota, mais vous, vous souhaitez mieux que ce qui est fait actuellement. Et il faut rappeler que l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de décembre 2006, ratifiée par le Niger en 2008, demande aux États partie 2, je cite, permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation technique et professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général. Au niveau des personnes handicapées, comment vous trouvez cette formation professionnelle dont bénéficient les personnes handicapées au Niger En ce qui concerne la formation professionnelle, il y avait un fonds dénommé Fonds national de soutien aux personnes handicapées, mhm. donc, euh, qui a été créé par une ordonnance. Mhm. Donc, euh, ce fonds-là, dans ce fonds, il y a un volet qui est spécialement dédié mhm. à la prise en charge de la formation professionnelle des personnes handicapées. Donc, euh, la personne handicapée qui désire suivre une formation qu'elle monte son dossier elle dépose. Quel que soit le handicap. Parce que parfois la formation coûte cher. Oui. Puisqu'on a des cas où la personne devient bachelière, parfois même avec mention. Mais il faut aller à l'extérieur. Euh, quand la personne n'est pas boursière, c'est un peu compliqué. Euh, toutes ces difficultés, c'est ça C'est compliqué, mais au plan national, mhm. en tout cas, la, prise en charge était effective. Mhm s'agit, quand il s'agit de la formation professionnelle. Mhm. quand la formation est locale, puisque les personnes handicapées sont boursiers de l'État. C'est mis à part la bourse même, qui a le Fonds national de soutien aux personnes handicapées dont je mhm. parlais, qui prenait en charge les frais de scolarité mhm. des, des, personnes handicapées. Moi, personnellement, je connais beaucoup de camarades qui ont bénéficié de cette prise en charge-là. Donc, euh, mais le, un triste constat, c'est que ce fonds-là n'existe plus maintenant. Donc, euh, à partir du moment où ce fonds n'existe plus, donc on a la question de la formation professionnelle. Donc, euh, <laughs> ça aussi, ça n'existe plus. Donc, il y a lieu de faire des efforts à ce niveau également. Oui, là, l'effort qu'il y a lieu de faire, c'est de faire le plaidoyer pour que ce fonds-là soit réhabilité. Mhm. Oui. J'ai envie de vous demander, Madame la directrice, le fonds là, c'est à votre niveau, la gestion le, Fonds national de soutien aux personnes handicapées, c'était mhm. euh, logé au niveau euh, du ministère de la Population. Mhm. votre ancien ministère de tutelle. Voilà. Et maintenant, il y a eu une fusion. Depuis la fusion, les, fonds mhm. étaient euh, suspendus, bien avant même la fusion. Et je crois que les fonds étaient suspendus en 2018. Et c'est après. Et, le fonds n'existe plus, c'est ça En tout cas, le fonds est suspendu. On a fait les plaidoyers pour qu'on puisse euh, ouvrir ça. Jusque-là, c'est n'est pas mhm. réhabilité. Mhm. Monsieur Danfiron, mhm. merci beaucoup euh, pour l'éclairage euh, conseiller de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors pour réussir à améliorer la situation des personnes handicapées et en particulier leur accès à l'emploi Je voudrais revenir sur euh, la question sur euh, euh, le défi socio-culturel dont vous mhm. avez évoqué pour juste dire que mhm. Mhm. il va falloir que la communauté, je veux dire la population nigérienne, si vous voulez, les cadres comprennent que les personnes handicapées sont des personnes capables. Du simple fait que quand une personne arrive à faire ses études, avoir son diplôme, on ne peut pas penser qu'elle ne peuvent pas être utile dans une administration. Hum. Elles sont capables. Parce que le, regard qui est là, c'est dû à notre culture. Hum. Nous savons bel et bien au Niger, on a de la pitié pour les personnes handicapées. Hum. Malheureusement, ça fait de ces personnes-là des victimes on pense beaucoup plus à les assister. À, voilà, qu'elles sont à Exactement. Mhm. Alors que on mhm. pouvait leur donner cette possibilité de montrer de quoi elles sont capables. Il y a mhm. beaucoup de domaines de métiers, même au niveau de la fonction publique, qui certains pensent qu'on ne peut pas être utile, on ne peut pas contribuer, en oubliant que la personne elle-même non handicapée ne peut pas tout faire. Elle a aussi ses limites. Chacun dans la vie apporte. À des limites. À des limites. Un locomoteur, par exemple. Euh, Exactement. Ces limites, c'est que les membres ne fonctionnent pas. C'est la mobilité. C'est la mobilité. C'est juste la mobilité. Mais le cerveau fonctionne très bien. Exactement. Et aujourd'hui, euh, avec mhm. la technologie, quelle que soit la catégorie du handicap que mhm. la personne porte, la technologie est venue mhm. dans son accessibilité infinie, rendre ses tâches possible mhm. et aussi facile. Mhm. Donc c'est ce regard-là. Il faut que la, la, société arrive à comprendre que mhm. les personnes handicapées diplômées sont aussi capables de contribuer. Et comment relever tous ces défis puisque nous sommes vers la fin de ce forum Il ne nous reste que quelques minutes. Moi, à mon avis, je pense qu'il y a lieu de faire euh, un état-major sur la question, surtout pour euh, l'employabilité des personnes handicapées, pour réunir non seulement les acteurs étatiques, Mhm. mais aussi les partenaires de l'État, mhm. pour que on ait un même slogan mhm. pour aller vers le respect de ces dispositions juridiques et aller vers la véritable promotion des personnes handicapées, qui à leur tour revient à prendre en charge même des personnes non handicapées dans leur famille, du fait du travail, du métier là qu'ils vont en avoir par ricochet, ça pourrait contribuer à la lutte contre la mendicité. Exactement. D'ailleurs, on pouvait aller dans le sens que dès que la personne handicapée arrive à avoir son diplôme, mhm. si elle désire travailler pour l'État, mhm. qu'elle ait directement accès à cette fonction publique. Mhm. C'est une possibilité. On est à 20 millions, on parle de... 25 millions environ. Environ on parle de 4,2%, mhm. qui, si on met toute estimation faite, on mhm. n'atteint pas 2 millions. Mhm. Et ce n'est pas ces 2 millions qui sont diplômés. Peut-être vous aurez peut-être 500, 600 diplômés seulement. On peut les absorber dans le secteur public et privé mais pour moi, la promotion doit commencer au niveau de l'État, mhm. puisque le secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont là pour accompagner. Mhm. Ce que l'État fait. Exactement. L'État est le premier porteur d'obligations. Exactement. Ah, madame la directrice, pour terminer, avez-vous un appel euh, pour réussir à améliorer le plus vite possible cette situation En tout cas, l'appel que je lance, c'est à tous les acteurs mhm. qui interviennent dans les domaines et que ce soit le côté État, mhm. et les ONG, les associations et les personnes handicapées elles-mêmes. Mhm. Donc je les, appelle, je les appelle pour une synergie d'action. Mhm. pour qu'on puisse euh, et savoir de chaque côté qu'est-ce qui se passe, pour qu'on puisse euh, harmoniser et aller de l'avant et pas en reine dispersé. Merci donc euh, à vous, Madame euh, la Directrice. Il faut donc une synergie d'action et c'est avec euh, cet appel de votre direction que nous terminons le forum de ce soir qui a eu pour thème intégration des personnes handicapées à la fonction publique au Niger, avancées et défis. Nous avons compris qu'il y a eu donc euh, des avancées depuis l'ordonnance de 93 qui prévoyait les règles minima qu'il y a lieu de respecter dans le cadre de la promotion des droits des personnes handicapées jusqu'à la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 ratifiée en 2008 par le Niger. Il y a eu ensuite la loi de décembre 2019 accompagnée par un décret d'application de 2021 qui prévoyait un quota de 5%. Donc en termes de législation, il y a eu beaucoup d'avancées. Cependant, nos intervenants en ce qui concerne les dispositions, par exemple le quota au niveau de la fonction publique, ils souhaitent que les 5% soient respectés, quel que soit le nombre de personnes à recruter, contrairement à ce qui se fait actuellement. Il y a également le fonds qui vise à soutenir euh, les personnes handicapées qu'ils euh, souhaiteraient voir euh, actifs. Merci en tout cas à nos invités. Il s'agit de Madame Moussa Aïchatou. Elle est la directrice de la promotion des personnes handicapées et de l'inclusion sociale au ministère en charge euh, de la santé publique et de la population. Notre deuxième invité est Monsieur Hamani Ali Abdulaziz. Il est le président du comité des jeunes chargé du suivi des concours d'intégration à la fonction publique. Notre euh, troisième invité est Monsieur Munkele Danfiroun. Il est conseiller à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Il est également conseillé à l'inclusion des personnes handicapées au niveau du comité international de la Croix-Rouge CICR. Nous avons également invité à ce forum le ministère en charge de la fonction public qui n'a pas répondu à notre lettre d'invitation. Merci donc à vous, chers invités. À la modération, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Issa Loli et Mustafa Yuba. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.